Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum de studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum euh, du studio Kalangou a pour thème Bilan de la campagne agro-silvopastorale euh, 2023 au Niger, analyse et recommandations. Dans une communication faite en Conseil des ministres le jeudi 4 janvier 2024, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé un déficit de la campagne agro pastorale et hydraulique 2023. Au plan agricole, le déficit a concerné 5343 villages sur les 13 468 villages agricoles et au plan pastoral, il a été enregistré un déficit fourrager de 18 471 309 tonnes de matière sèche, représentant 53,68% des besoins du cheptel national. Ces déficits céréaliers et fourragers ont été induits principalement par des sécheresses, des attaques des ennemis et des cultures, des inondations, la baisse de la fertilité des sols et les effets de l'insécurité qui se vit dans certaines zones de grande production. En vue de faire face à ces déficits, il est envisagé d'accélérer la mise en œuvre du programme Initiative Souveraineté alimentaire par l'intensification des productions animales et des cultures irriguées 2023-2024. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse et des données ce qui a fonctionné et où des difficultés sont apparues, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour euh, des meilleurs résultats dans les deux secteurs vitaux de l'économie nigérienne qui sont l'agriculture et l'élevage. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Ousseini Ada de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Euh, bonsoir Ousseini. Bonsoir. Adamu Ubanya, membre de la plateforme paysanne du Niger. Bonsoir Adamou. Bonsoir. Et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapana. Bonsoir El Haj El Mansour. Bonsoir. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Hussein de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Comme à certaines années précédentes, cette année aussi, la campagne agro-silvopastorale a été déficitaire dans presque toutes les huit régions du Niger. Avez-vous identifié les causes de ce déficit, Hussein Alors, bonjour, M. Mokhtar. D'abord, euh, nous vous remercions euh, très sincèrement de l'honneur que vous nous ferez à nous présenter au niveau de, votre plateau pour édifier la population euh, de la situation de la campagne. Effectivement, comme vous l'avez dit euh, dans l'introduction, cette campagne globalement a été déficitaire. En ce sens que pour l'instant, on n'a pas les résultats définitifs. Globaux définitifs. voilà, de façon officielle, parce qu'on a euh, notre démembrement qui est la, statistique, c'est elle la voie autorisée qui donne les résultats euh, officiels. pour avec chiffres à l'appui. Mais pour l'instant, euh, à chaque fois, on a l'évolution et on a les résultats provisoires. Provisoires peuvent être validés, mais pas la voie autorisée. Merci vous aussi pour la précision, Ousseniada. Donc, comme vous l'avez dit, le déficit a concerné les 8000 343 sur 13 468 villages agricoles. Et, ce déficit-là a pour cause d'abord les, pauses pluviométriques prolongées, c'est-à-dire la, la, mauvaise répartition des pluies. dans l'espace et dans, le temps. Donc, il a occasionné beaucoup de récémies. Et si, bon, peut-être euh, dans l'introduction, vous n'avez pas fait cas de cela, la campagne s'est installée à mi-juin. Mais les semis se sont prolongés jusqu'au 31 août. Vous voyez, il y a eu un, début normal d'installation de la campagne, mais malheureusement, avec les séquences sèches pluviométriques, elles se sont prolongées jusqu'au 31 août. Donc, Hormis ces pauses pluviométriques prolongées, on a les attaques parasitaires aussi qui ont impacté Les ennemis des cultures. On a aussi dans certaines euh, localités les inondations et encore l'arrêt brusque des, euh, des pluies en fin septembre. Est-ce que ces deux phénomènes euh, peuvent être liés au phénomène du changement climatique Oui, tout à fait. Tout à fait. Les inondations, ça, et même l'irrégularité des pluies sont liées au changement climatique. Ça, c'est une, une, une réalité. Ousseini Ada, quelle analyse faites-vous au sujet de la récurrence de ces phénomènes, les retards, la mauvaise répartition des pluies dans le temps et de l'espace C'est en lien avec le changement climatique. Parce que par le passé, si vous vous souvenez, les pluies, au moins pendant la campagne d'hivernage, on a jusqu'à 4 mois de pluie, 4 mois, 4 mois et demi. Et cela peut permettre au moins aux cultures de boucler leur cycle dans le temps. Mais malheureusement, euh, au stade actuel, ces dernières années, avec les changements climatiques, on a tout au plus trois mois de, pluie, ce qui ne répond pas au moins ou bien qui ne permet pas aux cultures de boucler leur cycle comme ça se doit. Donc, euh, vous voyez, c'est ça euh, le, problème auquel nous sommes confrontés. Euh, depuis plusieurs années, quand même, le ministère et le gouvernement nigérien, les associations du secteur de l'agriculture encouragent, euh, sensibilisent la population à ce qui concerne l'utilisation des semences euh, de variétés améliorées. Pourquoi les paysans traînent les pieds Pourquoi ne s'intéressent pas à ces semences de variétés améliorées Oui, ça c'est un problème vraiment de longue haleine. Nous, en ce qui concerne le côté technique, euh, à chaque fois, on sensibilise la population. Et par rapport aux zones déficitaires, ces zones déficitaires-là, les populations vulnérables ont été toujours prises en charge par le ministère en les dotant de, ces semences améliorées avec tous les entrants que ça comporte. Parce que euh, un village ou bien des villages, vous avez vu jusqu'à... Au niveau du ministère, vous avez déjà identifié tous ces villages déficitaires-là C'est déjà identifié. Mais je n'ai pas nommément la liste mhm. moi actuellement. Les villages sont identifiés et c'est par rapport à ces villages-là que l'État prend des précautions ou des dispositions pour au moins les soutenir pour la campagne prochaine. Donc, la mauvaise utilisation ou bien la réticence par rapport à l'utilisation des semences améliorées, c'est que, vous savez, les semences améliorées ont des exigences. Les semences améliorées ne peuvent pas réussir sur, des terrains très pauvres. Ah, il faut les terrains fertiles. Il faut, il faut les, les, terrains fertiles. Donc c'est pour cela. Il faut aussi l'utilisation des engrais, euh, de, oui, La pauvreté du sol est lié par euh, l'absence de ces engrais, que ce soit les engrais minéraux ou les engrais organiques, c'est-à-dire euh, les engrais chimiques. Quoi. Maintenant, les engrais organiques, on a le fumier. Mhm. Et malheureusement, aujourd'hui, nos populations n'ont pas les moyens d'acheter ces engrais chimiques et même la matière organique et le fumier, les gens n'ont pas les moyens d'avoir la quantité qu'il faut par hectare. Mhm. S'il faut mobiliser 30 000 tonnes par hectare. Il n'est pas donné à un <laughs> paysan de mobiliser 30 000 tonnes par hectare. En, fumier, en fumier organique, le fumier bien décomposé aussi. Hmm. Parce que tel qu'ils le font actuellement, ça ne peut pas être profitable aux cultures. Parce que hmm. les paysans aujourd'hui, ils ramassent tout ce qu'il y a euh, au niveau des comme déchets. comme déchets, le fumier frais. Hmm. Et ça, c'est une source de maladie. C'est une source de maladie. Donc, euh, euh, il y a des séances de sensibilisation et même des formations qui sont tenues à l'endroit de ces populations-là pour attirer leur attention par rapport à l'utilisation du fumier qui est à leur disposition, de le décomposer avant de l'utiliser dans les champs merci beaucoup, Ousseiniada. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole à Adamou Banya, membre de la plateforme paysanne du Niger. Adamou Banya, euh, quelles sont les difficultés rencontrées cette année par les agriculteurs et les éleveurs Merci euh, beaucoup. Euh, j'allais dire quand même cette occasion qui nous a toujours été donnée ah pour qu'on puisse euh, partager ensemble euh, nos préoccupations, mais aussi partager quand même euh, toutes les questions liées à la campagne, parce qu'aujourd'hui, la campagne, c'est un élément central, important dans la vie des communautés. Et je pense même que si Kalangou est arrivé quand même à inciter cet espace, c'est pour permettre à certains de comprendre effectivement quels sont les efforts qui sont fournis. Alors, donc, j'allais dire, au niveau de la plateforme paysanne, nous avons déjà mis un dispositif de suivi des campagnes agro-silvopastorales, qui sont complémentaires au dispositif de l'État. En fait, nous, on ne produit pas des chiffres, mais on essaie de recueillir les témoignages. Et pour cela, nous organisons trois, trois, trois, trois missions. Au démarrage de la campagne, nous faisons des missions dans les régions. Rencontrer les producteurs, rencontrer les services techniques, rencontrer les autorités pour comprendre d'abord comment comment les producteurs, quand j'allais dire ici producteurs, c'est les agriculteurs, c'est les éleveurs, c'est les pêcheurs, comment ils ont entamé la campagne Quelle est la situation dans laquelle ils ont entamé la campagne nous essayons de regarder aussi qu'est-ce, que l'État a mis à leur disposition en termes d'intrants, en termes d'encadrement. Nous essayons de regarder aussi surtout la question des prix. Les prix des produits. Les prix des produits. Comment eux-mêmes ils arrivent à faire face les à ces agricoles donc, en même temps, à euh, en, mi-campagne aussi, nous effectuons une deuxième mission, juste pour voir comment s'est fait l'évolution des cultures, mais en regardant les chocs. Quand j'allais dire ici choc, c'est tout ce qui concerne ce qui vient de dire, les questions d'inondation, les questions de sécheresse, pour voir quelles sont les cultures qui ont été touchées, quels sont les villages, quels sont les dégâts causés. Et là, c'est dans l'intention aussi d'informer encore les décideurs pour qu'on prenne des dispositions très rapides. Et en fin de campagne, nous faisons aussi une mission pour voir quel, est quel était le bilan, mais pas bilan quantitatif, mais vraiment une perception de comment on perçoit, parce que vous avez quand même un certain nombre d'indicateurs, le nombre de bottes où ça donne déjà une image. Donc, et au démarrage de la campagne, la première activité que nous faisons, c'est que nous, nous, avons un atelier qu'on organise avec la direction de la météo pour partager les prévisions. Ah, c'est important. C'est important. C'est-à-dire que nous, au démarrage déjà, nous avons des, des, des prévisions de la météo qui annonçaient des situations que cette campagne risquerait d'être. Et ces informations, nous les partageons au cours de nos missions de préparation pour informer le producteur pour dire que voilà la tendance. Ça ne veut pas dire que c'est celle-là qui va, mais c'est que sur à 80% au risque. Je crois que cette année, euh, euh, euh, c'est à, partir de en juin qu'on a organisé cette rencontre. Et il y avait une rencontre régionale avec l'ensemble des pays qui ont partagé cette année comment va, être, comment va se comporter la campagne. Je crois qu'au Niger, il y a une information qui nous a été eh, donnée et ça a été vérifié. Ils ont dit que, par exemple, il y a certaines régions qui risquent d'accuser des retards, notamment la région de Gaïa. Pour la première fois. Pour la première fois. La Gaïa qui avait déjà les premières pluies à partir d'avril. Mais cette année, exactement tel qu'ils nous ont informé. parce que nous, on a pris des dispositions pour dire qu'il ne faut pas que vous semez aux premières pluies. Il ne faut pas prendre toutes les bonnes semences et vous les mettez aux premières pluies, parce qu'il se peut qu'il y aura une longue sécheresse. Ils ont donné trois, euh, trois informations. La première information, c'est qu'il y aura, il y aura une pause pluviométrique au démarrage de la campagne. Il y aura une pause pluviométrique telle qu'il avait dit, en fin de la campagne, mais il y aura aussi des régions qui vont accuser des retards. Et là, je crois que ça a été vérifié parce que Gaïa, jusqu'en juin, il y a des localités qui n'ont pas chemin. Donc ça a, confirmé et ça nous a permis aussi déjà de prévenir, d'anticiper. Alors, maintenant par rapport même à cette pause climatique, il y avait les premières pluies, il y avait jusqu'à 23, des, villages qui ont reçu 23, 23 jours. Donc la première difficulté auquel on est rencontré, c'est qu'il y avait cette question de mettre, tel que vous l'avez dit, des semences adaptées, qui permettent, il y a des semences aujourd'hui qui peuvent tenir pendant 2, 5, 6 jours ou jusqu'à 2 semaines. Malheureusement. Sans pluie. Sans pluie. Il y a des semences parce que nous travaillons aussi avec la recherche. Maintenant, l'autre difficulté, c'est, j'allais dire aussi du côté de l'élevage, bien que l'autre allait l'aborder. La pluie, le pâturage est lié à la pluie. Tout à fait. Alors, dès qu'il y aura une pause, parce que si au débarrage, on n'a pas une quantité importante, c'est que ça ne va pas permettre un développement important des plantes. Donc on avait rencontré cette difficulté. L'autre difficulté qu'on avait rencontrée, c'est surtout par rapport aux, engrais. Vous savez, aujourd'hui, la, disponibilité, la disponibilité, l'accessibilité. Les, engrais sont tellement chers au vu du producteur qui cherchait déjà, qui supportait. Qu'est-ce qui explique cette, cette cherté qui, En, en réalité, c'est dit d'abord à une réforme. Il y avait une réforme qui a été faite parce qu'au début, c'était la centrale d'approvisionnement, mais il y a une réforme qui permettait aux privés aussi de fournir les engrais. Je crois qu'il y a la première difficulté, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas cette capacité de pouvoir importer les engrais. Mais il y avait même une crise. Au à l'échelle mondiale. il y avait une crise. Donc c'est ça qui a fait en sorte que ça a grimpé. Et ça a considéré effectivement avec cette question de précarité et, même si c'est disponible, un sac de 30 000, quelqu'un qui voulait payer, qui, qui, qui, se décarcasse pour payer 10 000 et qui se retrouve avec un entrant. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de producteurs, même si le conseil a été donné de l'utilisation de la bonne dose, elle n'est pas disponible parce qu'elle n'est pas accessible. Est-ce que l'engrais de mauvaise qualité ne circule pas aussi dans euh, euh, ça, nos euh, régions Ça a été aussi une des difficultés. On a eu, par exemple, des gens qui ont importé, moi j'allais dire de l'argile qui ont importé. Des, la place de qui ont des engrais en destination du Nigeria. Finalement, au lieu, que ça, ça accroisse le rendement, finalement, ça n'a fait que baisser le rendement. On a vu aussi des gens qui ont importé des semences hybrides qui, qui finalement n'arrivaient pas à bien germer. Donc on avait véritablement constaté toutes ces difficultés. Maintenant, du côté de l'élevage, il y a la question aussi d'aliments bétail. La disponibilité, et l'accessibilité et, et, surtout la question de... C'est vrai, l'autre, l'année, euh, l'année qui euh, précédente, l'État avait quand même mis à la disposition quand des élèves une quantité importante qui a fait, même, qui a fait baisser même les prix. Mais, en tout cas, cette campagne-là, il y avait aussi cette difficulté d'aliments bétail qui a été. Maintenant, quand je reviens aussi au niveau, au niveau des pêcheurs, c'est toujours les cours d'eau. Vous avez vu comment le fleuve, à un certain moment, avait complètement cédé. Vous pouvez même traverser le, le fleuve par pied. Donc vous ne pouvez plus encore espérer euh, au développement des, des, dans, ce fleuve et aussi au niveau des. Nous avons quand même en mémoire la mare de Tabalak. Oui, effectivement. La, mare de Tabalak. Et là aussi, cette année, brusquement, il y avait plus d'eau au niveau de la mare. Et nous, quand on a demandé, ils ont dit oui, à chaque 10 ans, ils ont ces des phénomènes où finalement la mare, vous ne pouvez. Euh, depuis le, depuis le mois d'avril déjà, il n'y a, a, aucune goutte. Oh, la mare servait en même temps aussi d'abrément pour les animaux, mais aussi des activités de maraîchage. Adamou Banya, comment faire selon vous pour compenser ce déficit alimentaire Bon, très sincèrement, aujourd'hui, nous sommes, on est en train de préparer la nouvelle campagne. Mais c'est que nous, quand on avait ces informations, nous avons aussi contacté les décideurs, notamment la direction de la, direction de l'agriculture, le ministère de l'agriculture, pour attirer leur attention, pour qu'on puisse investir, mettre des moyens pour la production irriguée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire même de production de contre-saison. Nous allons tout simplement dire de production complémentaire comment l'État va permettre aussi à ce qu'on ait accès aux semences euh, maraîchères, comment aider aussi à la production fourragère, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas toujours se fier si les aliments bétail qui ne sont pas produits ici. C'est comment accompagner aussi des groupements pour qu'ils puissent produire aussi la liserne qui est aussi à Agadez. Donc on avait aussi eh, essayé en même temps eh, sensibiliser les populations, mais en même temps essayer aussi de contacter des projets des projets et programmes qui sont dans les régions parce qu'ils sont aussi proches des communautés pour qu'ils puissent accompagner vraiment la, hausse parce qu'on complète la production, euh, le déficit euh, enregistré pendant la campagne est complété par cette production euh, maraîchère. Mais là aussi, une des difficultés cette année, c'est aller prendre par exemple la production de la pomme de terre. Les gens étaient préparés, ils ont préparé. Mais malheureusement, la semence, compte tenu de la situation qu'on a, cette crise, cette fermeture des frontières, ah. on fait en sorte que les pommes de terre. la semence est arrivée tard. Il y a certains qui ont réussi la semence en, décembre déjà en décembre pour la pomme de terre qui a des exigences aussi en termes, en termes de, de, de climat. Finalement, il y a certains finalement qui ont préparé les terrains. Moi, sais il y a beaucoup de producteurs qui nous ont contactés, qui ont préparé le terrain, mais qui ne sont pas arrivés à, avoir cette, cette, semence à, temps. Merci beaucoup, Adamou Bagna. Alaj Al-Mansour Mohamed, secrétaire général du CAPAN, quelles sont les difficultés rencontrées cette année par les éleveurs au sujet de la transhumance, surtout dans les zones euh, d'insécurité Oui, merci. Vous savez, euh, pour rappel, le, CAPAN, c'est le, collectif des associations pastorales du Niger, qui fait euh, des plaidoyers pour la sécurisation des systèmes pastoraux. Parce que quand les systèmes pastoraux en général sont menacés, il n'y a pas de d'élevage, n'est-ce pas Cette année, comme l'année dernière, vous l'avez dit, il y a ce déficit fragile, n'est-ce pas, que nous constatons, et qui est quand même euh, récurrent qui constitue aujourd'hui une préoccupation, qui doit être une préoccupation nationale. Parce que chaque année, nous avons face à ces difficultés. L'autre problème, préoccupation, le problème des éleveurs, effectivement, comme vous l'avez demandé, c'est la question du rétrécissement des espaces pastoraux c'est l'obstruction de la mobilité pastorale. Vous parlez de l'accaparement de des, terres, de l'occupation de couloirs de passage, des heures de repos, des heures, etc. Ce qui fait que ça, ça un frein à la mobilité pastorale, puisque l'élevage... En, plus de ces déficits En plus de ces déficits fourragers qui, qui requérant, vous allez voir que les espaces dédiés à l'élevage, de façon générale, de, plus en plus, sont, sont colonisés ils sont occupés par d'autres activités, n'est-ce pas Et maintenant, il y a cette question des mobilités. La transhumance. la transhumance, que ce soit la transhumance intérieure, parce qu'il y a la transhumance intérieure, à, petite amplitude, et il y a une transhumance à grande transfrontalière. amplitude, transfrontalière, qui de plus en plus, pour certains transhumances, il y a un problème qui est lié à l'insécurité transnationale organisée, avec les crimes organisés que nous avons, un peu partout les éleveurs aujourd'hui ne peuvent même pas aller là où il y a le pâturage. L'autre aspect, c'est les mesures des pays euh, vers lesquels on transime, le Togo, le Bénin, etc. Et même le Nigeria. Qui, les Nigeria qui ont pris des décisions, effectivement, pour qu'ils n'ont plus besoin de nos éleveurs. Ça, ça aussi, c'est notre autre À cause de l'insécurité. Ah, bon, ils, prétendent que c'est à cause de l'insécurité, mais l'insécurité est chez eux. Donc, L'élevage au Niger aujourd'hui, nous avons euh, beaucoup de préoccupations en lien avec le changement climatique, vous l'avez dit, la réalité des, pluies. Nous sommes chaque année en déficit. Il y a cette question de, de, de, l'insécurité nationale organisée, où aujourd'hui les éleveurs, même là, il y a les pâturages, ils ne peuvent pas y aller, n'est-ce pas il y, a, cette question de, de la compétition à accaparer les terres pastorales euh, aujourd'hui il y a des privés qui cherchent coûte que coûte à coloniser des terres, n'est-ce pas Qui fait en sorte que ça enfreint à l'activité pastorale, euh, qui est quand même une, des premières activités aujourd'hui au Niger, qui produit la richesse au Nigérien. Plus de 95% des Nigériens aujourd'hui pratiquent l'élevage. C'est une, activité. Tout récemment, Alaj Al-Mansour Mohamed, le gouvernement nigérien a organisé une euh, campagne de vaccination euh, du cheptel. À la date d'aujourd'hui, euh, quelle est la situation sanitaire du cheptel Effectivement, la campagne de vaccination de, de vaccination masse, a, eu lieu, n'est-ce pas et nous avons les points focaux qui sont en train de nous remonter les informations par rapport à la question de, comment elle elle se conduit, ce qu'il y a des maladies émergentes, etc. Et pour le moment, la situation à notre niveau, elle est, calme. Parce que nous-mêmes, au niveau, national, nous avons eu à, conduire quand même des missions dans toutes les régions. Parce que, euh, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons des ponts focaux qui suivent cette campagne et même qui suivent la campagne pastorale de façon générale, qui remontent les informations. Et nous-mêmes, au niveau national, on a eu à monter quand même des missions à l'intérieur du Niger pour également s'entretenir avec les éleveurs. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes, le CAPAN est un, est un cadre de plaidoyer, n'est-ce pas, qui fait de la veille citoyenne, de l'alerte, n'est-ce pas, et qui doit quand même, euh, de temps en temps, alerter les décideurs par rapport à telle question en lien avec l'élevage au Niger. allez Al-Mansour Mohamed, à présent, quelles sont les conséquences de ces déficits euh, fourragés pour les pasteurs et leurs cheptels les déficits fourragers, c'est. Les conséquences. Hein, les conséquences. elles sont évidentes. Elles vont avoir quand même une conséquence négative sur le, prix des bétails. Et même le poids. Le poids des animaux. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand je prends juste comme ça une région très loin, Tassara, une grande zone pastorale au nord, très loin, vous allez trouver les boucs d'un an coûtent 15 000. Au même moment où le sac de 1000 coûte 32 000 actuellement, le sac du sang coûte 10 000. Et nous sommes encore en mars, même pas en avril, mai, juin. Vous voyez, la situation en réalité va en se, dégradant. Et c'est pourquoi nous pensons que euh, euh, des, des, soutiens doivent être quand même faits euh, à ce monde pastoral en lien avec le placement d'aliments bétail qui n'est pas encore fait. Et, nous ne sautons pas que ce, placement se, passe en retard. Parce que vraiment, nous sommes actuellement dans, le besoin. Que ce soit dans la grande zone pastorale nord de Gadbeji, hier j'étais en contact avec eux, c'est des difficultés un peu partout. Je vous le dis, 15 000 francs, le bouc d'un an à, à Tassra, maintenant, 5 000, 32 000. Imaginez ce que ça va être d'ici là que les animaux vont... Alaj al Mohamed, est-il aujourd'hui facile de produire du fourrage hors saison ici au Niger Oui, on ne doit pas, de mon point de vue, tenir compte, compter simplement sur, sur les, les, fourrages sous pluie. Parce que vous, avec le changement climatique, avec les inondations, les catastrophes, etc., nous avons à l'évidence que nous sommes régulièrement en déficit. Au moment où le Niger à un moment donné à répertorier tous les espaces irrigables. Je parle sous le contrôle de, de, de, l'agriculture. Tous les espaces irrigables au Niger ont été répertoriés par le Niger. Et, je et nous avons le fleuve, nous avons autre. Je pense que euh, on peut aller vers les cultures fourragères dans, euh, tout au long du fleuve, dans les barrages comme les barrages de Kandaji, un peu partout, pour que pour soutenir et, euh, et réduire ce déficit et même gagner Puisque vous voyez, c'est des milliards chaque année que Niger injecte à l'extérieur pour payer du son autre, peut-être certains de mauvaise qualité, alors que nous avons, nous avons des cours d'eau, nous avons... Une grande euh, quantité en souterraine. Nous avons euh, des aménagements hydro-agricoles, etc., où, il faut, de mon point de vue, il faut quand même euh, valoriser cette culture fourragère. Parce que la culture fourragère apporte beaucoup dans le cadre de la, euh, de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup à tous. On observe une courte pause. Nous allons retourner vers euh, la direction générale de l'agriculture représentée par Ousseini Ada. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a présidé le 20 mars 2024 la cérémonie officielle du lancement du programme Grande Irrigation PGI à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA du Niamey. Quels sont les résultats attendus au Séniada Bon, euh, Monsieur Mokhtar, avant de répondre à votre question, je voulais apporter un petit additif par rapport euh, au secteur des engrais ah, et, la mauvaise qualité de ces engrais. Effectivement, comme il l'a dit, euh, le coût des engrais, là, pas, ça ne concerne pas seulement le Niger. Hein. C'est juste une mauvaise coïncidence qui a fait que l'année où le, pays a décidé de, faire la réforme du secteur des engrais, il y a eu l'avènement de, la COVID-19. Ah. Vous voyez, cette crise, euh, cette maladie-là a fait qu'il n'y avait pas assez de mobilité, il n'y avait pas de transactions. Et sur le plan mondial, ce fléau-là est ressenti. Donc ça ne concerne pas seulement le Niger par rapport au coût élevé. Donc c'est un phénomène mondial. C'est juste une coïncidence euh, avec la réforme. Maintenant, par rapport euh, à la mauvaise qualité, c'est ça c'est au niveau des fournisseurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, nous nous sommes plus à l'aise dans ce qui est en train d'être fait parce que nous sommes dans un régime d'exception. C'est le régime politique qui a tout gâté. Parce que euh, euh, actuellement, au niveau de notre direction, on a la direction d'inspection et de certification des engrais, de contrôle des engrais, contrôle des qualités des engrais. On a la direction de certification et de contrôle des semences. Cela, cela veut dire quoi Normalement, tout fournisseur qui a eu le cutis pour commander, il doit présenter un échantillon qui doit être examiné au niveau du laboratoire de notre direction Maintenant, pour voir. Ce qui ne fut pas le cas avec les politiciens. Avec les politiciens, ce n'est pas le cas parce que dans un premier temps, il faut du saupoudrage parce que le fournisseur amène un échantillon qui est bon. Mais maintenant, c'est au moment de la ah. livraison de la grande quantité, il ne passe pas parce que le contrôle doit être fait en amont et en aval. L'échantillon est examiné. Maintenant, quand tu vas faire euh, venir la grande cargaison, là aussi, on doit vérifier est-ce que c'est l'engrais de départ que tu as amené jusqu'au niveau des populations. Et malheureusement, en ce moment, c'est là où le problème se pose. Parce que quand nous, euh, nous allons vouloir faire l'inspection et rejeter ce qui est de mauvaise qualité, malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Il y a des, il y des agents. Il y a des interventions un peu partout. Il y a des agents à qui ça, ça, ça les a même coûté leur poste. Tu fais l'analyse de l'engrais ou des semences et que, conformément aux normes de qualité, tu dis que cet engrais ou bien cette semence-là n'est pas valable, on te dit de la certifier bon à Tu refuses, on te fait quitter. Et les semences ou les engrais de mauvaise qualité sont acceptés bon à au niveau des paysans. Et même, les paysans, ils nous remettent en cause alors qu'ils ne savent pas, ça dépasse même notre, compétence. Donc c'est pour cela que je dis que actuellement, vraiment, nous sommes à l'aise parce qu'on sait qu'avec ce régime d'exception, ils ne vont pas accepter cette manière de faire. Voilà. Donc, euh, maintenant, par rapport euh, à, votre, à votre question. Le lancement du programme de la grande irrigation. Le lancement de la grande irrigation, euh, c'est pour pallier au déficit de la campagne qui, oui, qui vient de, de, de s'écouler, les 5343 villages déficitaires. Donc, maintenant, il faut intensifier les cultures irriguées. C'est ça la grande irrigation, c'est-à-dire au niveau des périmètres irrigués il y, aura euh, des, des, périmètres qui vont être aménagés, il y a d'autres qui vont être réhabilités. Donc, on va essayer de mettre un programme d'intensification des cultures. Parce que tel que ça se fait actuellement, vraiment, euh, ça ne répond pas, ça ne peut pas répondre aux attentes de la population, techniquement. Parce que les travaux ne sont pas faits à temps, et les, les intrants ne sont pas utilisés, en tout cas, comme ça se doit. Et même tout ce qu'il y a comme l'itinéraire technique n'est pas respecté. Donc maintenant, avec la grande irrigation, c'est les, les techniciens qui vont être comme chefs d'œuvre. On va essayer de voir à travers les périmètres qui sont aménagés, accompagner les producteurs et appliquer l'itinéraire technique. J'aimerais dire, quand il faut faire la préparation du terrain, on le fait à temps quand il faut appliquer la fumure de fond, c'est-à-dire l'engrais qu'on met à la préparation du sol, on le fait en même temps. La période indiquée pour faire l'installation de la pépinière, on la respecte. La période indiquée pour faire le répiquage, ça aussi est respecté. Les applications, les différents apports. Des tout cela nécessite des gros moyens. Mais l'État doit s'y mettre parce qu'on veut booster la production. Et pour booster la production, il faut impérativement respecter l'itinéraire technique. Merci beaucoup, Ousseini Ada. On va revenir vers vous, Adamo Bagna. Que représente la riziculture dans le secteur de l'agriculture et même de la recherche de l'autosuffisance alimentaire au Niger. Merci beaucoup aussi de, cette occasion. Je pense bien qu'aujourd'hui, nous savons tous euh, que le riz et consommer de façon quotidienne dans les familles. Ce n'était pas dans les années antérieures, seulement au cours des fêtes. Je pense même qu'aujourd'hui, pourquoi nous, nous ça sommes... fait partie des habitudes alimentaires des Nigériens maintenant. Ça fait vraiment... En, tout cas, ça fait... Aujourd'hui, c'est rare de trouver une famille qui ne compense pas au moins deux fois le riz dans sa, dans sa famille. Alors qu'on savait que dans les années antérieures, c'est seulement au cours des fêtes, fêtes. Or, ici, peut-être l'avantage qu'on a sur le riz, d'abord, nous avons jusqu'à deux campagnes, voire même trois vous, avez, vous avez vu pour les autres céréales, c'est seulement une seule campagne. Donc, il y a cette possibilité de pouvoir multiplier les campagnes. Mais l'autre avantage aussi de, de, la riziculture, c'est que ça occupe, ça occupe peu de place peut-être avec 0,25 hectares. avec des, petites superficies. avec des petites superficies. En tout cas, vous pouvez quand même e, essayer, essayer de doubler ou de tripler la production comparé aux autres céréales qu'il faut 10, avec 10 hectares. Or, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui peut avoir avec ce morcellement des, des terres contenues aussi des, des, des questions d'héritage. Maintenant, le troisième élément, c'est qu'avec la production du riz, on a aussi la paille. Les résidus. Donc, les résidus de culture. Aujourd'hui, vous savez pertinemment, c'est vrai, il y, a, cette question de production fourragère au niveau, au niveau des périmètres. Mais si vous voyez aujourd'hui comment les, les, les, les des sagas, après la campagne, si vous voyez les charités qui. Oh. D'ailleurs, je crois que c'est une quantité importante aujourd'hui qu'on arrive à, à combler. C'est un gap qu'on arrive à combler à partir du riz. Maintenant, l'autre, c'est cette possibilité aussi de permettre aux Nigériens de consommer leurs propres produits. Euh, la consommation locale. consommation locale. Vous avez vu que certaines maladies aujourd'hui sont en train d'être identifiées comme étant la consommation du qui a fait des années et des années avant d'atterrir dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, qu'on arrive à avoir des riz frais. Pour ceux qui ont aujourd'hui, c'est quoi que la situation du Niger a fait en sorte que chacun s'est rabattu aujourd'hui sur les riz. Mais en ce temps, il y a beaucoup qui ont compris que de les années entières, les années passées, s'ils savaient déjà, on allait, on allait d'abord non seulement consommer notre riz local, non seulement en termes nutritionnels, mais surtout les questions, les questions de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire qu'il oh, faut attendre le Pakistan pour, nourrir. Vous avez vu, dès qu'il y a eu la fermeture des frontières, les gens ont compris qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est qu'aujourd'hui, il y a un produit qu'il faut mettre à la disposition des populations parce que c'est ça qui fait les 60% de la consommation des ménages. Et c'est les riz. Et c'est en ce temps, on, a compris qu'on a, vous avez aujourd'hui toute une potentialité. Aujourd'hui, vous partez à Difa, dans les oasis, on a la possibilité de produire aussi du riz. Au-delà des aménagements. Dans on a le riz hors aménagement. Aujourd'hui, DSL, c'est le nombre de producteurs, que ce soit à Gaïa, que ce soit à, Walam. Il y a des producteurs de riz hors, périmètre. Je pense bien que la première des choses qu'il faut régler, c'est qu'il faut régler cette question de sécurité au niveau des ménages. C'est-à-dire comment, au-delà des 1000, trouver un autre produit aussi qui peut supporter les trois, les trois repas. Je pense même que aujourd'hui la question du riz, c'est un défi. Adamou Banya, quelle stratégie de réadaptation pour les agriculteurs et les éleveurs pour faire face à la période de soudure qui s'annonce En tout cas, la première des choses qu'il faut essayer de, de, de, tabler, c'est comment faire en sorte qu'on crée les conditions. Parce que vous savez qu'à un certain moment, l'État aussi avait un, dispositif, un stock de sécurité alimentaire, alimentaire qui, qui était géré en septembre par l'OPEVEN. Et ça, c'est dispositif, ça, ça c'est stock et, alimenté en fin de campagne. C'est vrai que tant qu'on n'a pas cette question, ce stock qui est disponible, mais en même temps aussi des facilités. On peut bel et bien avoir, par exemple, les stocks des, des commerçants, mais il, avait question de la, il a parlé de la question de l'insécurité. Comment créer les conditions pour qu'il y ait quand même cette question d'accessibilité au niveau des marchés, mais surtout du contrôle des prix. Moi, j'allais dire que l'État doit continuer, c'est vrai, il l'ont initié, continuer en tout cas à, rendre les prix quand même équitables. Vous avez vu aujourd'hui avec les ramadans comment des choses qui ont triplé, doublé. Si tu demandes concrètement, est-ce que c'est lié à, à l'importation, est-ce que c'est lié au coût Tout ça là. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. je décide un matin, j'ai dit mon sac est à 40 000 personnes. Et donc je crois qu'il faut forcément qu'il y ait cette disposition, ce contrôle. Au même titre qu'ils ont dit qu'il y a le contrôle sur les engrais, il faut qu'il y ait un contrôle des prix. Merci beaucoup, Adamou Banya, Alhaji Al-Mansour Mohamed. À présent, quelles sont les dispositions prises par votre association, le CAPAN, en termes d'appui, conseil et assistance aux pasteurs et éleveurs pour une meilleure campagne pastorale 2024 au Niger Rapidement. Oui, vous savez. comme je vous l'ai dit tantôt, nous faisons quand même cette, cette veille citoyenne nous collectons toutes les préoccupations à la base à travers nos ponts focaux et, nos missions terrain et que nous mettons à la disposition également des décideurs. Parce que nous avons également des, politiques publiques, n'est-ce pas, des orientations et programmes dans le cadre de la, résilience des populations, notamment des éleveurs pasteurs. L'autre aspect, c'est la question également de la, sensibilisation que nous, nous menons euh, pour que les éleveurs, effectivement, et c'est d'éviter certaines, zones, certains endroits en lien avec tout ce que vous connaissez comme les sécurités nationales organisés, avec tout ce que vous connaissez avec les réseaux, les réseaux transfrontaliers de voleurs de bétail organisés aujourd'hui, qui fait en sorte qu'il est en train d'appauvrir les, les éleveurs pasteurs. N'est-ce pas Parce que les éleveurs, effectivement, comme les autres paysans, ont besoin quand même de l'information, de l'encadrement, n'est-ce pas De la bonne information, également, plus de l'encadrement pour en tout cas euh, être plus résilient, n'est-ce pas Donc nous sommes, comme vous le dites, euh, au niveau de Capan, très attachés en tout cas à cette activité de, de, de, l'élevage, surtout du pastoralisme mobile. mobile, Quelles sont les dispositions prises par euh, le CAPAN pour éviter ou minimiser les éventuels conflits entre agriculteurs et éleveurs oui, c'est ce que nous faisons. Je voulais tantôt, récemment, on a eu une, mission euh, nationale qui a fait toutes les régions du Niger. où on a rencontré, on a fait des rencontres, non seulement avec les, les focaux, Foucault, les, les éleveurs, euh, les, leaders, et puis les, services techniques et même le gouverneur, les préfets, autres, toujours dans le cadre de, de ces plaidoyers pour en tout cas minimiser le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Parce que souvent, certains conflits, c'est juste une petite incompréhension qui, est mal gérée, qui nous amène à la catastrophe. Malheureusement, nous le constatons chaque année, et c'est pourquoi nous organisons des, rencontres au niveau local euh, entre éleveurs, agriculteurs, les décideurs, les commissions foncières, etc., pour échanger autour de préoccupations. Parce que chaque, chaque zone, et à l'intérieur de chaque zone, il y a des spécificités pouvez vraiment avoir des zones critiques. Dire, bon, dans telle zone, c'est une zone récurrente qui, où vous avez des conflits qui viennent en récurrence. Et là, vous, vous tablez pour faire des, rencontres. Donc, c'est comme ça que nous, nous, nous, agissons en, en, dehors, effectivement, de l'alerte et de la prévention. Et tout ça par rapport, c'est fait avec l'information de nos ponts focaux euh, qui sont sur le terrain, qui, qui remontent l'information et nous-mêmes, de temps en temps, nous, organisons des rencontres avec les décideurs par rapport à un certain nombre de préoccupations par rapport à l'élevage. L'élevage aujourd'hui est confronté effectivement à cette question d'espaces pastoraux qui sont connus, même les questions de culture irriguée là. Il ne faudrait pas que ces questions de culture irriguée soient à la base de, de l'accaparement des terres pastorales par des lobbies richistes qui ont beaucoup d'argent, qui, cherchent à, qui font de la spéculation, il ne faudrait pas que sous couvert de, de, l'irrigation, etc., de la culture etc., qu'ils occupent les espaces pastoraux, n'est-ce pas, à leur profit. Merci beaucoup, alage Almasou Mohamed Hussein Ada. Rapidement, quels sont vos conseils, recommandations, propositions de solutions pour une meilleure campagne agro pastorale 2024 au Niger Rapidement. Bon, pour euh, répondre à votre question, ça c'est une question récurrente et puis ça, va ça cadre avec euh, notre rôle régalien chaque année en prélude d'une campagne qui s'annonce. C'est de prendre des mesures pour mettre à la disposition des paysans des semences de qualité, les semences améliorées de qualité à temps je dis bien à temps, parce que euh, euh, euh, aujourd'hui nous sommes dans le mois en fin mars. Est-ce que le Niger est quand même dans le temps Oui, on est dans le temps parce que nous sommes dans les préparatifs en prélude de la campagne, parce que le plus souvent le, moment idéal pour l'installation de la campagne c'est à partir de juin, mi-juin. Donc, si nous arrivons à mettre à la disposition de ces paysans les, ces semences et tous les entrants qui s'en suivent, à partir de mai, ça peut aller. Ah, mais par le passé, je vous dis, c'est après avoir semé même que les entrants tombent au niveau des paysans. Vous voyez Et ça, ça ne peut pas répondre aux besoins ou bien au, rendement escompté. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue des échanges, la plateforme paysanne, tout comme le collectif des associations pastorales du Niger, le CAPAN, ont clairement exprimé leur disponibilité pour accompagner les efforts du gouvernement nigérien en termes d'appui, conseil et encadrement aux agriculteurs et aux éleveurs. Le gouvernement nigérien, à travers la Direction générale de l'agriculture, s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire de la souveraineté alimentaire une réalité au Niger. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ousseini Ada de la Direction général de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Adamou Banya, membre de la plateforme paysanne du Niger, et El Haj El Mansour Mohamed, secrétaire général du collectif des associations pastorales du Niger, Kapana. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme des studios Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Issa Lawali. Au revoir, à bientôt.